jeunes amis de la FADA, bonsoir et bienvenue dans notre émission Tous à la FADA. Aujourd'hui, Studio Kalango installe sa tente au sein du CG16 à desender situé au quartier Karakara. Et nous allons parler d'un problème qui persiste encore et qui entrave aussi la bonne marche de l'éducation. Il s'agit bien évidemment de la violence en milieu scolaire. Et on va plus parler dans cette FADA des formes de violence les plus récurrentes et pourquoi une telle persistance. Dans un pays où l'éducation est la clé du développement et de la prospérité, il est alarmant de constater que nos écoles censées être des sanctuaires de savoir et de sécurité sont parfois le théâtre de violences insidieuses. Cette violence peut être vécue et commise par des élèves ou par le personnel scolaire. Et à titre illustratif, à Niamey, le 20 avril dernier, il y a moins d'un mois, un enseignant a été agressé et blessé par l'un de ses élèves à cause d'une histoire de tricherie en classe. Et les élèves aussi sont victimes de violences. Et pour en parler ce soir, nous recevons M. Zabirou Ibrahim, le proviseur du CG 16 Nous avons à côté de M. Zaberou, M. Laweli Moutari, le représentant des professeurs. Il est aussi enseignant en maths et SVT. Bonsoir et bienvenue dans notre fête. Nous avons à côté de lui Abdul Kader, il est le président du Conseil des villes de la jeunesse des Zender. Et nous avons aussi euh, Jibril Magaji, élève en classe de 3e. Et euh, nous avons aussi une autre élève avec nous, Hadiza Marabe, élève en classe de 3e. a dukan shi tare da Abdulkader Tombiano. masauraran mu yau a cikin fadar ta da ta da zango a nan cgc ta zandar wacce ke a unguwar karakara kamar yadda kuka shi zamu tattauna akan cin zarafi a makaranta zamu shi wacce kalar cin zarafin ce tafi yawa a nan zandar kun me yasa ne abun ya kici ya canyewa kamar yadda kuka sani wannan shirin namu mukan kasa shi fanni uku da farko zamu tattauna akan les formes de violence les plus récurrentes ensuite nous verrons ce qui explique leur persistance et enfin les conséquences qu'elles peuvent avoir sur le système éducatif dans la première partie de notre émission, je vous propose d'aborder les formes de violence les plus persistantes. Et je vais commencer par vous, Monsieur Zabayrou. Mr. Zabairu barka da zuwa cikin fadar ta. Barka Shi ne provisor kamar yadda na faɗa tun farko na wannan lakwal wadda muke a ciki yau kenan sai JSS ta nan karakara a birnin da magaram. Mr. Zabairu a nan cikin makarantar ko kuma a iya sanin ku a matsayin ku na wanda ke tare da ɗalibai a da yaushe. kelso sont form de violence waɗanda suka fi yawa? Wani cin zarafin ne aka fi samu? Bon, um, comme vous si Il y a plusieurs formes de violence, notamment en milieu scolaire. Il y a d'abord la violence entre élèves, c'est-à-dire entre les élèves eux-mêmes. Il y a la violence exercée par les élèves sur leurs enseignants. Il y a la violence exercée par les intrus, c'est-à-dire des gens qui sont hors système éducatif qui rentrent dans les établissements scolaires pour exercer des violences soit pour le personnel d'encadrement, soit sur les les élèves. Donc, euh, il y a aussi, de façon très rare, on arrive des fois de constater quelques violences exercées par les enseignants sur leurs élèves. Ça, c'est pas très fréquent. Mais c'est en tout cas ici, à notre niveau, c'est les différentes formes de violence les plus récurrentes. On a l'habitude de constater. Et parlez-nous aussi de la situation de la violence à Nanzender. à ça va au kuma de Damadi. Bon, dire que ça va, c'est trop dire, dès lors que ça persiste encore parce que c'est un problème qui date de, décennies. Depuis un certain nombre d'années, l'école a connu une dégringolade à tel point où le respect a presque disparu, n'est-ce pas, même entre euh, élèves et professeurs. La prise en charge est devenue insuffisante au niveau de ceux qui sont extrascolaires. les conditions ne permettent pas de sécuriser les établissements scolaires actuellement. Parce que la première condition de sécurisation d'un établissement scolaire, c'est la clôture. Mais comme vous le constatez ici, nous sommes à l'air libre, dégagés dans un établissement pour eux, à 1000 entrer, là où n'importe qui peut rentrer par n'importe où et quand elle veut. Vous voyez très bien, dans ces conditions, on ne peut pas parler de sécurisation. Quel que soit l'effort que le personnel doit fournir, il ne peut pas contenir cette violence. Mais avec la clôture, au moins, au moins, ça peut amoindrir à hauteur de 80% ces violences-là. D'autre part, euh, les moyens d'intervention rapide, je suppose, sont un peu limités parce que lorsqu'on fait appel souvent des forces qui sont censées maintenir de l'ordre les établissements, ça pourrait prendre énormément de temps avant qu'ils n'arrivent. Et là, ce n'est pas de nature à, favoriser effectivement, c'est-à-dire euh, la trouille que ça pouvait semer au niveau de ces intrus-là. Quand ils constatent qu'ils ont tout le temps de s'enfuir, là, ils n'auront pas peur de, récidiver. Mhm. Et à côté de M. Zaber, nous avons M. Loli Moutari. Il est enseignant en maths Fati SVT. Mushanjima ana karantarwa? Anjima. Kun kai kamar shekara nawa? To a kai kamar shekara 20 haka. Masha Allah, Benton. Mm. Sai tucin visa. A gaskiya. <laughs> To a cikin vi in ku ta an sanya. Quelles sont violence wa waɗanda kuka gani a nan zandar? To, kamar yadda kuka faɗi da ke da provisor duka dai violence kin ba su wuce wanda kuka zana sai dai kaɗai abin da za mu faɗi a nan gurin wanda kamar muka ga kamar sun yi kamari kwarai wanda waɗansu baƙi za su shigo cikin saman su aikata mu shine ya damu kuma na ji yanzu professor iya cewa haihe da ba ku kamar hujjoji wanda suka rika janyawa wa'annan violence kin kamar munan bamu da kariya kuma banda ma ba mu da kariya halo muna cikin wani karce wanda a bisa billahi bin sani ba ko in ba sani ba wa'ansu sun sani karce ne muke nan gurin wanda ake ce mishi karakara wanda bisa billahi shi an san shi bisa kan kamar violence kin ita kanta ma violence kin to kuma ya kasance eh, nan wani iko na Allah kurun kamar an bar mu ne mu da kanmu kurun mu kare mu kare kanmu kahin wani abu ya, ya samu a nan gurin in san samu ne kamata a ce an yi mu wani abu wanda za a rika kama mu to babu wannan kama wannan fi sabilillahi sai mu yanzu a nan gurin tsakankanin mu eh, da mu da kamar kamar wani su survive da wani abu kanmu mu mushina da shi kanshi wanda yake representative kin latar da litasum a sabuwar le kin mu ne dai muke tattarwa da dalibai mu nema mu kare kanmu amma sino kariya dai a fisa billah babu ita kuma mafi yawa na ce muke cikin wannan violence kin wallahi mu dai tsankanin mu nan ko kuma tsankanin mu da ɗaliban mu da wuya ki ga wayansu abubuwa tunda muka zo nan gurin amma mafi yawa muke ga mun samu matsala to mutane ne su je kwar zitranje ki peneta le tapsama kuma le tapsama e poroi kamar yanda professor hodi su suke mu irin wannan ba amma sino kamar tsankanin mu ko kuma tsankanin yara tsankanin su babu wannan fisa billahi eh da wuya ko ba ku taba samu ba samsam eh ba a ce kamar ba a taba samu mai amma kamar c'est des, c'est des cas ah. rares. Comme l'a dit le professeur, dans la ils ont une expression qui a c'est des cas rares. Mais le plus récurrent, le plus épineux, c'est des corps étrangers. Pisabila. Et et nous sommes aussi avec le représentant de la jeunesse des Inders, Abdulkader, il est le président du conseil des villes de la jeunesse des Inders. Abdulkader, barka da zuwa cikin fadar ta. Eh, barka malama Fanta. na san duk abin da ya shafi matasa yawanci kuna da masani a kan shi kuma violence and milieu scolaire ita ma abu ne wanda ya shafi matasa da ɗalibai da mushani yawancin su akwai matasa a ciki abdulkadir wa'anne violence ne kuka cin karo da su a nan wurin eh, to masha Allah kamar da su director suka hudi ne eh, da mushe aka ce violence kala kala ne akwai violence ta tsakanin su ɗaliban ma tsakanin su akwai violence wadda zai gani tsakanin ɗalibi ne da mushen shi akwai violence wanda zai gani wani ne wanda ba ma dan lakwal ba ba ma dalibi bane zai shigo cikin lakwal din yayi wani abu to akwai kuma da ke cewa ita kuma tsakanin mushe na kamar da producer ita kuma na tsakanin mushe da elefi ta wannan gaskiya rar ce saboda shi mushe an gaya mushi daman ya san abin da ya kashi gurin kenan bai ya raba saboda an san dan adam ne dai akwai lokacin da abubuwa suke zawa me ita wannan kamar da daktar hudu ne gaskiya babu ita kwarai fara farga wancan wanda ka sana to yanzu ya magani tsakanin wadda ta yawa tsakanin 11 da 11 kuma zuwa tsakanin 11 da mushe sai muka yi lansai muka ce to zan yi kamfai da sensibilisation mun hwara ma eh, tunda a cikin nan yanzu ville zander muna da shiya biyar duka shiyoyin banda shiya ta biyar wadda take can wajen babban tafki ita ce dai su hwara ba su ma suna nan su hwara mai sun dan hwara sun hwara civilian kilke ita etablissement ko ta shiya eh wadda dai an hwara ma mhm. dai an hwara saboda yanzu anan a cikin commune 2 eh, muke dai a cikin commune 2 akwai wanda da sanwara soje wit da sauran ecole da wannan je na san ba samu dama ba dawo a cikin solution certainement zamu kawo zancen les actions que mènent les jeunes pour contrecarrer ces phénomènes mais nous sommes aussi euh, avec des élèves de la fada muna tare da Hadiza Mamman Rabe élève ce a classe de 3e Hadiza barka da zuwa cikin fadar ta barka dai wani kin ji maudu'in da muke nan ga tattaunawa akan shi a yau on parle de la violence en milieu scolaire kin ji bayanan da professeur suka yi da professeur da kuma representant na na nan da magaram ke wani karin bayani zaki mana wace violence ce kuka fi cin karo da ita matsayin ku na dalibai. akwai abubuwa ne da dama suna da yawa ku amma abin da yi yawa waɗan wannan da ake yi eleb ko eleb wanda ba na ekwal ba zai shigo cikin ekwal ya ja eleb ai hwada to kun ga wanga abu ne wanda bai kamata ba ko wanda ba eleb bai shigo har cikin tsakakkur ya zo ya ja ele ba a yi waɗa. Ko kamar anan wurin kuna sauran samun irin wa'annan? Wi. Ya kuke yi idan suka zo suka tsokane ku? He dai mu mu kare kanmu da kanmu da mu shi nan. To a cikin fadar mu kuma muna tare da Mamman Jibril Mamman Magaji shi ma 11 ne a kilaskin ta Turazin Barka. To Jibril ku a nan cikin ekwal Wai wani form de violence ne tafi yawa? Kuka fi cin karo da ita? Da dama mafi yawanci amma kamar yadda suka faɗi ne wani dan iska kamar nagari he ya zo he ya zo ya zo shi nan iya ma mushanni shin kumya mushanin da sun aihe shi ma sun girma uwayen shi kuma ya zo su rinka rigima da elef abin da gaskiya bai kamata ba bai ma kamata ba ce wanda ba ba dan lakwal ba kawai ya zo ya shigo ekwal mhm. gaskiya bai kamata ba me ke kawo hakan mafi yawanci dalilan zau wasu dai bamu sani ba su suka san dalilan zau kenan wani bihe ba an kare ne abin eh an ƙara rigima ne tukun za a san ai asali ma ga abin da ya kawo kenan bai wani da ganin mutum ko kace wannan kawai ga abin da ya kawo shi c'est impossible voilà amis jeunes nous avons fait le tour euh, des quelques formes de violence qui persistent ici à Zender et nous allons donc euh, aller en pause et laisser les jeunes filles euh, du studio Kalangu inda suke kawo mana shirin nan nasu mai lakani da la rubrique rose Coucou tout le monde, bienvenue dans ce numéro de votre rubrique Rose jusqu'au bout des ongles, une rubrique qui a été pensée et créée par le studio Kalangu, une plateforme d'information et d'échange autour de toutes les thématiques qui intéressent la jeune fille nigérienne, des sujets santé et bien-être à l'éducation, aux sujets plus fun sur la musique, la cuisine, la mode et la culture. Nos jeunes mélomanes seront également servis sur cette rubrique. Du sport et bien sûr de l'actualité web bien croustillante seront traitées et partagées par nos chroniqueuses. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Samira Wafi et aujourd'hui avec moi dans la rubrique rose de cette semaine, je vous amène dans ma cuisine et nous allons préparer deux recettes. Mais pour le moment, on va faire qu'une aujourd'hui. Tout d'abord, euh, on va faire euh, une recette vraiment très simple. Ça c'est mon plat <laughs> préféré d'ailleurs. <laughs> Ça sera la recette de nouilles chinoises et je vais vous montrer comment moi je les prépare. Tout d'abord, on va commencer par se rincer les mains, la base dans une bonne cuisine. On va bien se laver les mains. Voilà moi les ingrédients que j'ai déjà lavé et préparés. J'ai quelques oignons en lamelles, j'ai un peu de tomates fraîches, j'ai aussi euh, trois piments verts que j'ai déjà découpés en petits morceaux, j'ai une gousse d'ail que j'ai déjà écrasée, un peu de sel, un petit peu d'arôme et de l'huile. J'ai déjà chauffé euh, de l'huile dans une petite poêle. Je vais venir verser mes oignons. Je vais ajouter euh, le piment vert, mes gouttes d'ail déjà écrasées, c'est fait. Les tomates fraîches, je les mets juste après, juste euh, deux minutes sur le feu. J'ai rajouté les tomates. Je vais fermer pendant 3-4 minutes pour avoir un petit jus. Voilà, nous avons notre petit jus qui est là. Voilà, dans cette partie, ça dépend de la quantité de noix que vous allez préparer. Je vais ajouter un quart de litre d'eau parce que je vais préparer qu'un seul paquet de nouilles finales. Je vais laisser bouillir. Entre temps, j'ajoute un tout petit peu d'arôme. Maintenant, on va ajouter nos euh, nouilles. Je vais fermer la marmite et laisser cuire euh, juste euh, pendant 3-4 minutes parce que les nuits sont déjà préparées et fait juste quelques minutes de cuisson. 3 minutes seulement selon mon chronomètre sur le feu et mes nuits sont déjà prêtes. On va servir pour refroidir avant de le déguster. Et vu que je suis seule dans ma cuisine, sans vous, chers auditeurs et auditrices, je vais goûter pour vous. Voilà. Mmh. On va dire que c'est bon. Je crois que j'ai un peu, j'ai un peu exagéré sur euh, le sel, mais <laughs> ça va, faites pas comme moi. Ajustez le sel à votre convenance pour ne pas rater votre petit plat de nouilles super rapide. Et comme vous le voyez, ce plat ne m'a pris en tout que 30 minutes. Et c'est parce que j'avais décidé de faire euh, un petit jus avec des oignons et tout. Mais certains préfèrent préparer les nuits chinoises juste avec de l'eau chaude et verser l'assaisonnement contenu dans le sachet des nuits Et c'est tout. En 5-10 minutes, c'est déjà prêt pour certains mais moi j'ai préféré faire comme ça. Essayez cette recette, j'espère qu'elle vous plaira. Ça fait façon ragoût de spaghetti, mais <laughs> en version nuit et qui coûte euh, déjà moins cher en cuisine et euh, ça prend aussi moins de temps. J'espère que vous avez aimé. Portez-vous bien les amis. Demain dimanche, vous allez retrouver Rabi avec quelques astuces de gommage fait maison. Bye bye. ce canal. Chacune de nos sorties se fait les mains gâtées. Les grandes de ce lien me voient ou veulent engranger. ko de m'a dit interdit de te mélanger. Passe pas dans ma rue si c'est toi l'étranger. Mes ennemis veulent ma mort, mais j'en ai rien à branler. Y'a que le JB qui peut niquer ma santé. Si c'est pour ma daronne, je peux crever le monde entier. Torchons dans la tête et ces putains vont danser. Les petits ont des Voilà, amis jeunes, c'était la rubrique rose du studio Kalangu. Nous allons continuer notre émission tous à la fada inda à nan CG16 na birnin da magaram wanda ke unguwar Karakara. Muke ci gaba da tattauna kan maudu'in mu wucin zarafi a cikin makarantu. Me yasa wannan lamarin ya kici ya kicanyewa. Deuxième partie de notre fada, cette fois-ci nous allons parler des raisons qui expliquent la persistance de ces problèmes. Professeur de Kouzan zan fara quels sont les principaux facteurs sociaux culturels économiques qui ont abu daban la violence qui a persisté bien merci donc euh, il y a toute une gamme de raisons mais je vais quand même euh, citer un certain nombre donc, dans, entre autres, euh, vous savez, comme je l'avais déjà évoqué tantôt, c'est le fait que beaucoup d'établissements d'abord ne sont pas clôturés à l'heure actuelle. Une deuxième raison, c'est que vous savez maintenant, avec l'explosion démographique, il y a beaucoup de jeunes qui sont hors système éducatif, c'est-à-dire qui ne sont pas scolarisés ou bien qui sont hors système après avoir fréquenté l'école pendant un certain nombre d'années. Maintenant, ils sont exclus de l'école. Donc, des fois, ils sont toujours tentés de revenir dans l'établissement qu'ils ont fréquenté, mais sous une autre forme, cette fois-ci, pas en tant qu'élève, mais en tant qu'ancien élève. Bon, le plus souvent, ils reviennent un peu transformés. Ce n'est pas les mêmes parce qu'après avoir quitté l'école, ils se livre à autre chose, notamment la consommation de stupéfiants, etc., Parce qu'il se trouve des fois désœuvrés de la rue, ne rien à faire, si ce n'est que passer d'établissement en établissement scolaire. Donc, euh, il y a aussi le manque d'emploi qui fait que lorsque les gens ne sont pas occupés à un travail lucratif, le plus souvent, ils s'adonnent à des actions de ce genre-là. Quand quelqu'un a là où aller, Faire un travail qui va lui engranger quelques pièces de monnaie dans la poche, donc il n'a pas souvent à aller dans les établissements. Il y a aussi la consommation des stupéfiants qui a fait en sorte que des fois, une fois qu'ils prennent, ils sont en contrôle d'eux-mêmes, ce qui leur permet d'être dans un état où ils sentent que tout ce qu'ils posent comme action, c'est tout à fait logique. Il y a aussi notre éducation ancienne qui est connue de tous parce que ça, il s'agit de la dégradation des mœurs. L'éducation au Niger, telle que la connaissait dans le temps, a connu quand même euh, un recul. Ce qui fait que bon nombre d'enfants sont mal éduqués, excusez-moi le terme. L'éducation, c'est au niveau de la famille. Une fois que la famille ne prend pas en charge l'éducation d'un enfant, alors c'est la rue qui va l'éduquer. Et quand la rue éduque un enfant, vous connaissez le résultat. Je, m'en vais aussi au-delà pour dire que, vous savez, dans le temps, euh, l'école en tant que telle, toutes les conditions requises étaient véritablement créées. Mais depuis peut-être euh, une décennie et demie, tout le monde sait que maintenant à l'école, euh, la formation est devenue telle qu'elle est devenue, de sorte qu'il y a beaucoup d'élèves qui sont exclus. Et quand le nombre d'exclus est important, c'est tout à fait normal qu'on retrouve ce genre de, de, comportement. Donc là, je crois que c'est entre autres les raisons fondamentales qui font que entre À vous écouter, j'ai tout de suite envie de vous poser la question quoi faire pour pallier à ce problème. Mais Inch'Allah, ça sera le sujet de la FADA de demain avec Rukayetou Abdraman. resté connecté à Mijona. En attendant, je vais donner la parole à Monsieur Lawali Moutari, le représentant des enseignants chimaïques. Aramuna Armbayani Akan, Wanantamber Tawa. Quelles sont les causes des violences en milieu scolaire. To, madame, merci. Zan komo bisa kan wani element très important de directeur ya hodi. Wallahi talla anan zandar inda nan da le premier facteur c'est l'ignorance. kurum kake ce komi saboda mun daukan stupefin da da directeur yake hodi me ka jahilci ka haka. Kurum muna wata region wanda wani iko na kurum instruction anan nan ban san ba wani irin qualificative zan ka mata ko ele insuffisant ko kuma ele maldo ne shi yake ja su wani lokaci suna dauke dauke wannan kuma in sun dauka babu control a lokacin nan sai su aikata abubuwa da, da dama kuma banda haka hallo rishin yin aiki inda kana da wani wata activity ba ta bar ka ba ka da ma lokaci har da zaka zo ka yi wani tashin hankali a wani guri abin da kaɗai yake gaban ka ya ishe ka kuma ka saba wannan abin da zai kama wani abu a cikin dan aljihunka wallahi tallahi zaka ka lura da cewa ya hiye maso goma sha tara da zuwa haka je ka aikata wani abu wanda za a ce ya yi aikin da a sha na ba daidai ba to kin ga mu anan gurin abin da yake addaban mu in aka ɗauki bisa kan eh, comportement na yaran mu eh. na gode sosai malam lawali mai kenan abdulkadir kai ma zan comme ce que le directeur avait dit les régions sont multiples et variées mais on peut citer entre autres euh, comme l'éducation donc c'est ce qui pousse les jeunes là à s'adonner à la prise de stupéfiants et quand on prend un stupéfiant on a le contrôle de rien on n'est pas maître de notre conscience kenan a ne zaka gani in euh, matashi in un sai ki gani a cikin ilimin ma kuma sha da to kuma banda ilimin akwai wanda su kuma daga gari ne suke zuwa su su sai da ma ilimin a cikin lakwal ko kuma sai ki gani violence in wani eh, wata yarinya ce za ta yi gasar mai tana akwai avenuma na yan fale da yake faruwa a wanga mai sefura yanzu gaskiya ya rage tunda an dan samu sensibilization an dan rage mai yanzu wani ya gani shi 11 ne yana da falon yana da farish mu wani abu mushe ce mu ya ci mushi zarafi ko kuma wani abu zai ga masu da mushe sai akwai lokacin sai jikin sun jayo abu kansu an zo za a ce wai za a ba mushen kashi ko kuma wata sar sarmayinta ne can dan fale mushe ya mata wani abu wanda bai ta ji daɗin shi ko kuma wani abu wanda bai wanga ba sai ta taro su ce zo za a zo ta gaya sar mu ta a zo a huda wanga alkol kenan kun ga duka wani abubuwa ne wanda bai da ma bai kamata ba Jibril a lokacin da Abdulkadir ke magana na ga kana ta girgiza kanka akwai ƙarin bayanin da kake son kai muna ne eh akwai haka ne mhm. na fara kamar yadda suka wadi akwai rashin aikin in kana da aikin yi bai yiwa ne ka zo ka rinka shirme a gari saboda mafi yawancin kana da aiki da sai zaka huta baka damar da zaka zo ka rinka shiririta kana wasu biya kan banza gaskiya bayyaya kuma akwai rashin karatu gaskiya inda inda a ce kana karatu ka san abin da zaka yi ka san abin da ya kamata bai yiwa ka zo ka rinka rashin kumiya kana wani menene da wani da sauransu yauwa. To Hadiza ke kuma me zaki kara mana akan bayanan da suka yi mana? Gaskiya ne kamar yadda dan uwana Jibril ya wadi akwai rashin aikin yi kuma hallu akwai rashin tarbiyya. kuma hallo da akwai yaran da suna da aikin ka'ida ce sun sha wannan abu. gaskiya na ji abin da suka waɗi amma ni gaskiya abin da zan ƙara cewa abubuwan duka dai da ake cewa kamar ɓata gari da yan iska mu dai gaskiya ban mu da irin sa aikul mu tunda mu gaskiya mafi yawanci 11 da suke nan ba ma kai ba gurin da za su rinka irin wannan abubuwan mafi yawancin su uwayen sun tsaya musu kuma mu shida mu ma suna tsaya kan mu kuma gaskiya 11 kowanne rabi guda suna da haɗin kai ba kawai gani ana wada nous avons essayé de faire le tour des raisons qui poussent euh, à la violence en milieu scolaire avec euh, nos invités d'aujourd'hui. Nous allons donc euh, souffler en musique avant de continuer notre émission. Et nous allons laisser le choix à notre technicien Abdelkader piano pour la musique du jour. Guitare. never die négritude record. tu Elle nous attire, c'est la beauté incarnée. Ces beaux yeux, je pourrais assassiner. Mais mettre le feu à ma propre maison. Comment que voiture et tout ce qui s'ensuit. Shawahala. Shawahala. Elle nous enchaîne par sa démarche. D'un seul regard, elle nous a à ses pieds. Juste la toucher Elle a câliné, l'avoir dans mes bras pour toute la nuit. Elle nous a choqué, bam bam. Elle nous a choqué, bam bam. da ne in bar gari sai dai in ga hoho na gini da ba ni bare wai me ne kike so ka aike no mota da kudi ka aike no sabuwa salula ka aike no taka don gidan tsoho ma aike no lalle na san halin shi amma k'i zai san hau ma shi yau nan jaros yarinya ta sa wane da wane tun ba shi yau. Bala Amjan bayan mun huta za mu ci gaba da gabatar muku da wannan shirin namu na mu haɗa fada akan maudu'in mu na wato violence en milieu scolaire les formes les plus récurrentes et pourquoi une telle persistance ici à Zender. Troisième et dernière partie de notre fada wannan karan za mu ji wa'annan miyagun sakamakon ni cin zarafi a cikin makarantu kan iya haifawa a kan fannin ilimi. Kuma dole wannan tambayar da professor zan fara ta. Malam Zabairu Ibrahim kenan professor na CGSS na Zender inda muka yada zango yau a cikin Monsieur le professeur, comment les violences en milieu scolaire affectent-elles votre euh, motivation, votre engagement et même euh, Fanny Ilimi à l'incendie Merci. Ça affecte le système éducatif euh, sur beaucoup de plans et de façon profonde aussi. Parce que vous savez, même pas au niveau de l'éducation, tout travail sérieux a besoin d'un bon environnement. Or, les activités denseignement apprentissage ont besoin de sérénité, ont besoin de calme, ont besoin, euh, si vous voulez, de tranquillité d'esprit. Lorsque un enseignant et un élève en classe a toujours en tête qu'il pourrait être attaqué à un moment ou à un autre, il ne peut pas avoir la concentration nécessaire pour les activités d'enseignement-apprentissage. Ça, c'est un. deuxièmement, lorsque, quand vous prenez un élève individuellement pris, une fois qu'il est victime, d'une agression physique ou morale, là, il perd tout goût d'étude. Troisième volet, c'est que les, les intrusions auxquelles on fait face peuvent affecter les élèves sur eux, Parce que vous savez, il y a un effet de contamination, surtout chez les jeunes. Les jeunes, ils sont trop vulnérables. Un seul élément, il peut gangréner 100. Et ça, c'est à la minute, je vous dis. Donc, ce qui fait que si vous laissez un, un, un mauvais élément infiltrer dans un établissement, il fait affecter, c'est-à-dire le système éducatif de, tous. Un autre plan aussi, l'enseignant. Un enseignant qui est agressé dans ses fonctions, ou par un élève, ou par un intrus, Voyez-vous, parce que comme c'est lui qui est chargé de l'encadrement des élèves, ça veut dire que ce n'est pas une petite partie de le système éducatif. Donc, ce qui fait que, évidemment, si des, des mesures ne sont pas prises en temps réel, ça peut affecter très profondément et très considérablement le système éducatif. Même si c'est un établissement qui est affecté, imaginez un établissement de 3000, 4000 élèves dont le système éducatif a été même ralenti, ce n'est pas une petite perte pour quelqu'un qui, dans le système, il, il en sait quelque chose. Donc moi, je crois que les activités d'enseignement-apprentissage ont besoin d'un bon environnement, un cadre idéal pour ça. Et ça, il faut tout faire pour créer ce cadre-là. C'est-à-dire pour la réussite des élèves, pour le développement du pays parce que tout le monde connaît la place de l'éducation dans le développement d'un pays. Voilà ce que je peux dire pour le moment, madame. Merci beaucoup, monsieur le professeur, pour votre intervention. Maintenant, je vais me tourner vers monsieur Lawali Moutari. Monsieur Kunji, bayanan da professeur Yaimona. Eh, madame, mana. madam, Naji, directeur na sosai. kuma zan dan kara wani abu sakan abin da director ya hodi don mu gauga mu ci gaba me zan hodi lalle wannan violence kin me le premier factor wanda kamar mu muke ganin sai yan nan fact negative iya kore mu yara wani bi zaki ga yara delar bazaj kamar deserve de sixième zaki ga wannan abin na violence ya sa su kuma sai dai ka wanda kamar dizela potential wanda ake suke iya wasu zama wani abu gaba mu mun sa a ranmu da cewa wannan yara inda za su kai wani lokaci a hannunmu insha Allah za su zame ma iyayensu kuma za su zame ma society wani abu na ci gaba me amma za a waye gari saboda wannan violence kin zaki ga sun bar tereto sun bar lakwal kuma wa'annan su suke zuwa su kara eh, eh, gonflan nombrikin yara burito a cikin gari wanda zai ma mutane kamar guba wanda a kowane lokaci aikin da zasu yi ba aiki wani ci gaba aiki ne na asha to kin ga sai mu ce muke kamar wannan violence kin a fisa billahi mu abin da muke so bisa bisa kanta e, Allah ya kama mu dan a ciwo kanta dan in ba a yi wasa ba za a waye gari wata rana ta zame ma lakwal wani faktar wanda ncc saboda ba a san inda za ta ba allah kare ga abin da zan hodi na abgadar ku kuma a naku fannin menene kuka yi remarke wanda ita wannan violence ke iya haddasawa eh, kamar yadda aka yi explain cause in nan da yawa <clears throat> da abubuwan da yake haddasa shi to consequence ma suna da yawa um, kamar yanzu alal misali a cikin ikwal eh, eh, haka violence tana iya jawowa da tsaye da karatun ma gaba daya tana iya jayewa wa'ansu barkai ɗiyansu lakwal tana iya jayewa wa'ansu musulun ma duk da kun san a Nijar muke aka ce an sayama ma pourtant le métier le plus noble mais le mieux négligé encore mhm. mais wa'ansu saboda shine ma ba su so masu zo su an sayama ma yana iya jawo irin wani abu da zaka gani mu shi bai ma son ya zo ma kwale. Mhm. parce que banda wani wanda yake iya ka afur sosai ya ja da baya ya ja da baya mhm. kenan menene kuma ka zuwa lo ana shi ma zarafi a ciki ban daga tarataman da ake mako saboda eh, yanzu bari baku example bara muna cikin wata activity ta concours na jen eh, nan eh, sai jeudi mun ta zama yi selection na MR11 mun yi musu concours na culture general an wanga mat fese yanzu da aka zo zamu ga director a mana selection wani parent 11 ne wai ya kaɗiye shi wai mushin APS ya zagi diye shi ya zo ya ka kara equal an an an wai ya ce ilva kamar ilvule men farafe eh, sanya mhm. su yana so ya bugi ma a sanya lokacin gama mushi ne suka tattara eh wai ya zage shi ko da shi ta je ta ce mushi ya zage ta to ko yanzu alal misali ko da yake ta je ta ce ma an sanya ya zage ta ai an san nan kamar kai ne a wajen ta alkwal ka ba shi ka ba shi yama ne ya horar da ma ka kenan ko da ta je ta gama kai baka zo ba ka shayo ta kace a so ko da abin bai ma ba daɗi tana yawa ka je ka ji me yasa ba a gaban yarinya ba yanzu an san wannan abin yake kamar ma an ma anan an san suka ce kai amma kun gani irin abubuwan ne yake sa su ma mutune sai kai wannan lagwalin ba wani abu ne ke samu na ma wasa kenan daga nan duka ma zin gaba da abubuwan su yi wangan shi sai ki reshen an fi abin da mu shi faɗa mana prese damar hada ignorance a ciki nagode abdulkader mamman jibrila magaji 11 cluster 2 wanne sakamako ne wannan violence ke iya haddasawa a makaranta tana iya haddasa matsaloli da yawa mhm. me gaba gaba in aka yi wasa sai an waye gari ma eleba ɗaiɗai ku ne suke zuwa ikwal saboda akwai matsaloli da yawa bai yiwuwa kuna tara mutum ka zo ka ga mugun abu ya same shi kai ma kana tsoron ya same ka kenan he ka wasa zuwa ko kuma wani in ya wasa zuwa he je he hure ma wani na gida kunne shi ma ya hana shi zaguwa kai ma kenan kana ga abin da ya same ni kai ma in ka ji haka zai same ka tunda kai dama tuni ka tsorata shi ma kenan sai ya tsorata hewa hewa su zawa alkwalin ko kuma a samu matsala irin na tsakanin elef da mushe ko shi nan mushe ne mai kokari Allah ba shi ilimi kuma akwai kamar pedagogy yanda zai ya kwatanta ma elef ya gane sai ga saboda wani abu ya lakwal in ma ta huta da kanshi ko kuma in ya shigo klasin sai sai ya rinka muku kurin kawai gashi nan dai kun bata mai daidai kawai ya muku mai amma bai tsaya ba kamar da ya bata lokacin shi ko kuma wani lokacin ko iya so ma ya takura ma kanshi ya shiga lokacin shi ko ya ce ku zo da mareci ko ya ce ku zo setter saboda kuna mai abin da ba daidai ba he wasa he ba he barku da kanku kaɗai wannan yar in tashi kawai kenan kun wannan ma matsala maman jibril avant de clôturer notre émission Ami nous allons d'abord accueillir nos 50% et sa chronique toujours amis jeunes de la fada bonsoir aujourd'hui plongeons-nous dans un sujet crucial de notre époque la MDM c'est-à-dire la malinformation la désinformation et la mésinformation eh bien dans le paysage médiatique africain les fléaux de la malinformation de la désinformation et de la mésinformation se dressent comme des obstacles redoutables pour la santé de nos démocraties. Cette trinité néfaste, véritable pandémie informationnelle, engendre des conséquences profondes et souvent néfastes sur la stabilité politique et sociale du continent. La malinformation se manifeste par la diffusion intentionnelle de fausses informations, souvent biaisées pour servir des intérêts particuliers. En Afrique, les médias sociaux, les plateformes en ligne sont des terrains propices à cette propagation délétères. Des acteurs malveillants exploitent ces canaux pour s'aimer la confusion, manipuler les opinions et déstabiliser les processus démocratiques. Les leaders politiques en proie à cette désinformation peuvent être entraînés euh, dans des décisions préjudiciables, érodant ainsi la confiance de la population. La désinformation, quant à elle, repose sur la diffusion délibérée d'informations mensongères dans le but de tromper. En Afrique, cette pratique est souvent utilisée comme arme politique visant à discréditer des adversaires, à déstabiliser des élections ou à manipuler l'opinion publique. Les conséquences sur la démocratie sont graves, sapant la crédibilité des institutions et créant un climat de méfiance généralisée. C'est tout pour aujourd'hui, amis jeunes de la FADA. On se retrouve demain dimanche pour la suite. Merci Seynou. Aujourd'hui, nous étions en compagnie de Monsieur Zabairou Ibrahim, le du CG16 nous étions aussi en compagnie de Olaoli Moutari, le représentant des professeurs et aussi enseignant en maths et SPT. Nous avions aussi dans notre fada Abdul Kader, le président du conseil des villes de la jeunesse des Inders. Et nous étions aussi avec euh, des élèves qui ont intervenu de part et d'autre. Et entre autres, nous avons Mamma Jibril Mamma Magaji, élève en classe de 3e, Hadiza Mamma Rabi Monzo, élève aussi en classe de 3e. Tare la violence en milieu scolaire les formes les plus récurrentes et pourquoi une telle persistance ici à Zender. Et avec nos invités, camerounais de Kokaji, nous avons fait le tour des formes de violence les plus récurrentes, des raisons qui expliquent leur persistance et aussi nous avons parlé des conséquences euh, de ces violences sur le système éducatif. anan studio kalangu